Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence confiance renouvelée, merci de du like, merci de vous abonner. merci également du bail, c'est des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. Un hein. mbokki sénégalais fait pour fole maintenir 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci dal hôpital yi ci kër yi du feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi erreur judiciaire ak giñ li ngeen deful yóbbu leen fa suñu borom génn leen fa teg leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars yi yéexe on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu wax qui ci malaise bi am diggante Ahmadou Bamba ak li nga xam moy dirigeant wu Marseille Aller aussi, c'est courtisé par les plus grandes nations du football alors que Montpellier ba léegi ah, meilleur yor équipe nationale du Sénégal ci coupe du monde bi ak ci coupe d'Afrique bi ak aussi ki nga xam moy donc Moussa Wagé première passe décisive mais d'abord la France pour la première fois de son histoire ñu dem demi-finale coupe d'Europe ñoo door Pays-Bas un but à zéro match la bo xam occasion yu bari na mais ils étaient face au mur euh, hollandais mais finalement ci penalty lañ mujjé gagné un but à 0 Dries Mertens également qui met fin à l'ère de la génération de du Koulibaly Momi donc Moudjouta a prolongé du côté de Napoli de Féjugé, mais aussi il aura marqué l'histoire de Napoli en étant le meilleur buteur de l'histoire du club le belge bi nga aujourd'hui il est courtisé un peu partout dans le monde pendant ce temps aussi ki nga donc Justin Kluivert di Patrick Kluivert selon également hein, les médias italiens il se rapproche du côté de Marseille Marseille donc beaucoup de jënd c'est un joueur de l'Ice Rome Down Ekibi Nice accord trouvé entre Paris Saint-Germain et Moukielé Moukielé le joueur français bu Herbe Leipzig bu donc actuellement donc ni Leipzig prolonger également prêt avec option d'achat obligatoire du côté du Parc des Princes pendant ce temps Aminarit le joueur hein, donc de Schalke 04 il va signer du côté de Galatasaray malheureusement Marseille de ko mais finalement il va signer là-bas avec un salaire annuel de 2,5 virgule million millions ki nga xam moy donc Amin Harit le l'international marocain ki nga xam aussi moy Jules Koundé euh, Chelsea dañoo mere lol lol lol lol FC Barcelone ndax ñom japp nañu Barça lepp lo xam ñom ñoom ñu ngi ci dugg rek Barça dañuy dem diko jema jéem en plus instant yi dañoo bëgg jël seen yenn joueurs yi ku ci mel ne Azpilicueta ak Alphonso force leen ba ñu am problème ak wa Chelsea pour mën leen jënd alors que ñoom Barça ñu proposition bu concrète pendant ce temps aujourd'hui ki nga xam nak moy donc Kalidou Koulibaly donc le roc de la défense sénégalaise devrait honorer sa première titularisation du côté côté des Blues de Chelsea donc euh, face à Arsenal donc lolo nak nek match bo xamné ne match bu ñëpp di xaar la ki di Moussa premier match mu dugg remplaçant def première passe décisive donc il est sur la bonne voie on lui souhaite bonne voie plutôt on lui souhaite bonne chance pour la suite Moi, mi nga xam dafa bëgg aussi du côté de l'équipe nationale du Sénégal mais gars bojo bojo ye ñëw na Bollo, bollo, yeah, sí señor, una. Wow, wow. Waouh, Le lion de la Trianga, l'entraîneur avec la crinière de lion, Ali Oussissé El Tactico, passé de Bonamarasta à El Tactico. Ali Oussissé aujourd'hui fait la fierté du Sénégal et de l'Afrique tout entière. Tay, équipe nationale du Bering, ñi entraîneur Nid Kounioul, ñuul bu dëkk Ali Oussissé. c'est 50 victoires, 17 matchs nuls, 10 défaites, une canne, meilleur entraîneur africain, deux qualifications à la Coupe du Monde et deux finales sur trois finales jouées depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal depuis 2015. Ali Oussissé courtisé par les plus grandes nations du football aujourd'hui Khamgenko, moi, Sénégal Inch'Allah rabi coupe du monde bi ñu Qatar également coupe du monde Biwara en 2023 am hein. donc à l'UCC, mon Moko, Wara aussi yor équipe nationale mais Théoul, club yu bëri ak équipe nationale yu bëri ñi ngi soxla hein. donc aujourd'hui à l'UCC, qui a marqué et qui est sur les traces d'un certain Bruno Metsu bi nga Abdoukarim, Metsu à Cissé la génération de 2002 il a prouvé qu'également on peut être noir on peut être africain gagner le trophée équipe nationale ci Afrique ko vous, sori sorry, sorry. aussi c'est une fierté mais également du côté de Marseille Bamba il divise au sein de l'équipe marseillaise au sein de l'équipe olympienne parce que gars Pablo Longoria fa bëgg Bamba 15 millions minimum la ci du côté également de Bamba Dieng a du côté de Marseille def ay preuves on également qu'il peut s'imposer du côté de Marseille lui mi nga xam moy c'est le premier joueur bo xam ne ci partenariat Marseille Jambar mom moo fa dem ci Marseille ñëw wane Igor Tudor démb dugalu sax bu dugg ci match bi loolu jur ciow bu bari bari supporter Marseille ne loolu ce n'est pas normal ñi ne tay buñu ñu jaay ben attaquant Milik wala Bakumbu la wara jaay mais ñoo jaay Ahmadou Bamba Dia Bamba Dia mi nga aujourd'hui donc mom il a dit depuis fin de saison ba mu ñu joxo plus beau but mu né mom objectif il veut rester à Marseille il veut grandir à Marseille mais dafa melné les dirigeants Marseille dégg wuñ ko ñoon noonu ñi d'accord nañ pour jaay ko pour am xaliss ñeneen ñi d'accord ñu gars yi lan ngeen gis est-ce que Bamba Dia dafa war a dem wala aujourd'hui après la Coupe d'Afrique est-ce que dafa war a des wala boog dafa dem tenter expertise am ak expérience nation yi gars yi di like woy di abonné toujours un plaisir de vous servir on avance ensemble dans la magie de eSport TV et comme on le dit toujours gars yi jaa ngeen